le forum du studio le forum du studio forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Covid-19 au Niger, impact économique et voie de sortie. La croissance économique au Niger pourrait se situer à 4,1% en 2020 contre 6,9% en 2019 et c'est en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a déclaré le ministre nigérien des Finances Mamadou Diop en fin du mois de mars dernier. Cette situation est marquée par un ralentissement, voire un arrêt des activités économiques, un gel des investissements publics et privé, une baisse de l'emploi, des salaires, des revenus et de la consommation des ménages, a-t-il expliqué. Selon lui, la situation actuelle va entraîner une baisse des recettes internes d'environ 89,2 milliards de francs CFA, une détérioration du solde global de la balance des paiements de 72,9 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions initiales pour pour 2020, euh, a-t-il poursuivi. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a prévu des mesures de soutien aux populations et à l'économie estimées à 597 milliards de francs CFA, soit 7,4% euh, du PIB. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre les impacts socio-économiques de la maladie du Covid-19 dans un pays pauvre comme le Niger, les difficultés et les solutions urgentes. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Soli Abdoulaye. Il est économiste. Soli Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Seydou Souley Mahamadou, président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Seydou Souley Mahamadou, bonsoir. bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Soli avec une économie globalisée, cette crise se ressent partout, bien sûr à des degrés différents. En Afrique, où l'économie est encore fragile, reste les plus vulnérables. quels sont les impacts socio-économiques de la maladie du Covid-19 pour un pays aussi pauvre comme le Niger Merci, Monsieur Mokhtar. C'est bien de l'avoir souligné que nous sommes dans une économie globalisée, n'est-ce pas donc euh, cette pandémie ne peut que avoir un impact sur aussi l'économie mondiale. Maintenant, en ce qui concerne le Niger, c'est toutes les structures économiques qui peuvent être touchées comme dans les autres pays, mais peut-être à des degrés différents. J'avais comparé un moment la pandémie à une guerre où l'ennemi est invisible, mais il a le même effet qu'une guerre. Il dévaste les vies humaines, il dévaste les structures économiques et en fin de compte, il amène le pays dans une catastrophe, comme ce que la guerre fait. même des nouveaux rapports sociaux. Exactement, qui sont euh, euh, euh, nouveaux. Parce que tout, tout, ce que la guerre peut causer, c'est la même chose que la pandémie du coronavirus est en train de causer. Vous avez vu, crescendo, petit à petit, il y a des habitudes qui sont en train d'être changées socialement, n'est-ce pas On vous empêche de serrer la main, on vous empêche de vous embrasser, on vous empêche d'aller faire le culte où vous faites les choses en congrégation, parce que la, raison est là, vous allez vous contaminer en surnombre. Donc, du point de vue social, les rapports sont en train de prendre une autre tournure, un autre aspect, là où nous ne sommes pas habitués. Euh, dans les pays où il y a le confinement, vous voyez bien que les maris se retrouvent à la maison. Et quand ils se retrouvent à la maison, on a pour certains pays une montée de conflits entre mari et femme. Les violences, euh, conjugales. Elles sont en train de, monter dans certains pays. Maintenant, du point de vue économique, c'est aussi une vérité. Vous voyez bien que aujourd'hui, les activités sont complètement au ralenti. Au niveau des, secteurs informels, au niveau des secteurs formels, tout est au ralenti. N'est-ce pas Alors, si vous prenez le secteur formel, le secteur formel, c'est nos, nos différentes entreprises que nous avons. Ces entreprises, aujourd'hui, on les a obligées, n'est-ce pas, de mettre en veilleuse ou en vacances forcées certains de leurs euh, euh, agents. n'est-ce pas Ils ne viennent pas travailler. Donc s'ils ne viennent pas travailler, ça veut dire qu'il y aura un gap en termes de productivité. Vous voyez Et bien qu'il y a ce gap, l'entreprise sera obligée de payer ses salariés. Alors, vous voyez, d'un autre côté, l'entreprise n'a pas bénéficié du travail de, de, de l'employé, mais à contrario, elle a payé son salaire. Donc c'est un déséquilibre que, l'entreprise va subir du point de vue de sa trésorerie. Donc il y a tous ces problèmes. Au niveau des, secteurs informels, par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez tous ces gens qui sont en train de faire euh, la vente des frites, et pour l'alimentation des rôtis, de tout ça s'est arrêté net. Donc il y a vraiment assez de problèmes. On ne peut pas estimer le problèmes économiques que cette pandémie peut vraiment engendrer dans notre pays, le Niger, qui est un pays déjà sous-développé, un pays à une économie vraiment très vulnérable. Euh, les conséquences économiques sont-elles principalement liées aux mesures de restriction, notamment la suspension des liaisons aériennes, voire terrestres, entre les pays, le couvre-feu et l'état d'urgence Mais bien sûr, l'activité économique, c'est une activité humaine, n'est-ce pas qui est fortement influencé par les va-et-vient. Voyez-vous, dans tous les, traités, les accords internationaux ou communautaires, on privilégie toujours la circulation des biens et, des personnes. Parce qu'on sait que si les, les personnes ne circulent pas, les biens ne circulent pas, mais naturellement, ça va avoir un impact négatif sur l'économie. Or, aujourd'hui, avec toutes ces fermetures que nous voyons, les fermetures des voies terrestres, les fermetures des voies eh, eh, eh, aériennes. Où les, les, personnes peuvent rester, mais les biens circuler. Si les biens circulent, les personnes circulent, moins. Mais ça veut dire que les, les, marchandises vont circuler moins, même si on a autorisé. Parce qu'effectivement, par exemple, dans notre cas au Niger, on a permis aux marchandises de rentrer mais les personnes ne circulent pas parce qu'un chauffeur peut être, euh, peut, être, affecté ou bien peut avoir une psychose de venir au Niger s'il sait que le Niger a un problème de coronavirus. Donc il peut refuser de venir. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours il y aura une euh, euh, incidence sur ces marchandises qui vont venir. Donc du moment où les biens et les personnes ne circulent pas, naturellement on va avoir un effet négatif sur l'économie à différentes formes, n'est-ce pas que ce soit sur euh, les biens qui qui ne seront pas présents que ce soit sur euh, la monnaie même, qui ne va pas circuler. Vous voyez, donc euh, vraiment, c'est des, des, des, problèmes multiformes qui sont là et qui auront besoin vraiment d'être analysés post-corona. Euh, c'est le soleil Mahamadou. Les secteurs les plus touchés sont le transport, l'hôtellerie ou encore le tourisme, avec des annulations parfois à 100%. Les médias, le secteur informel, ce qui amène certains analystes à craindre la faillite de certaines entreprises et l'accentuation du chômage compte tenu euh, de toutes ces mesures. Comment atténuer les souffrances euh, des personnes qui exercent dans ces secteurs Merci beaucoup, Mokhtar. Euh, c'est un grand plaisir d'être là pour cet échange avec M. Soli, qui est aussi un, partenaire, un, partenaire, d'échange parce qu'on <laughs> s'est retrouvé souvent dans des sujets. Maintenant, comment atténuer Comment atténuer Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours un peu partout. Euh, si je prends juste euh, d'abord au Niger, au niveau du secteur privé, depuis que les mesures ont été prises, très rapidement au niveau de la Chambre du commerce, le président de la Chambre du commerce a pris une décision pour mettre en place un comité ad hoc. Et ce comité ad hoc a pour rôle de, de réfléchir avec toutes les composantes de la Chambre de commerce, parce qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce, c'est beaucoup de structures hein, socio-professionnelles qui gravitent autour de la Chambre. Donc, voir tous les acteurs du secteur privé les interroger sur comment les nouvelles mesures et la pandémie, la situation mondiale même affectent leurs activités. Donc il y a eu beaucoup de retours qui sont euh, donnés euh, au comité, donc des remontées d'informations du secteur financier, du secteur du transport, du secteur de l'hôtellerie et des structures organisées comme l'ANGE l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. J'ai discuté avec le président du comité, qui est euh, M. Jada Abdoulaye, qui, était est vice-président de la Chambre de commerce et qui était aussi l'ancien directeur général de la Bagri. Donc, quelqu'un, euh, un acteur du, monde de la finance qui connaît très bien ce domaine, qui a partagé avec moi les différentes préoccupations qui venaient. Par exemple, au niveau des banques, aujourd'hui, les banques sont en train de euh, voir comment euh, mettre en place, par exemple, avec le soutien de la BCAO ou des autres institutions de financement, euh, des mécanismes d'allègement pour euh, les entreprises. Ça, beaucoup de banques sont en train de voir comment gérer ça. Et la Banque centrale des États de l'Afrique de, de, de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, a déjà incité à cette initiative. Concrètement, c'est de Souley, quand est-ce que les Nigériens vont commencer à ressentir euh, toutes ces, faveurs-là Non, j'arrive. Moi, je pense que déjà, euh, bon, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par le président de la République qui ont du mal à passer. Qui ont du, mal à passer, mais en fait, qui, euh, je pense, euh, après quand, quand, certains ont été expliqués, on s'est rendu compte aussi que l'air c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc ça, c'est une première batterie de mesures. Maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les impacts ne sont pas tout à fait immédiatement cernés et leurs conséquences ne sont pas connues de manière précise. Ce qu'on sait, par ailleurs, c'est comme vous l'avez dit, il y a une décroissance du PIB qui, qui est en train de s'opérer. Il y a un ralentissement de l'activité économique. Dans certains secteurs, il y a même un arrêt total. Il y a un impact sur les emplois. Mais maintenant, n'oubliez pas aussi que les entreprises et les entrepreneurs ne sont pas aussi quand même des gens qui croisent les bras. On crée des stratégies d'adaptation. Et ces mêmes stratégies d'adaptation font que... Dans un contexte de rareté euh, économique Mais même dans Je vous prends juste un exemple. On a parlé, vous savez, le cas le plus inquiétant, ce n'est pas tellement le secteur formel, hein, c'est le secteur informel. C'est l'artisan. Mais même l'artisan, parce que quand vous prenez le gars, le vendeur de, de, brochettes, c'est un artisan. Même cet artisan-là, aujourd'hui, il est dans une stratégie d'adaptation. Des rénovations. Des rénovations. Moi, j'ai écouté des artisans qui me disent, par exemple, des gens qui font euh, des travaux, en général, de l'après-midi, qui vendent de la nourriture de l'après-midi jusqu'au soir. Maintenant, ils se réveillent très tôt le matin pour commencer. Et vous allez les voir à 14h, 15h, ils sont là en train de vendre alors qu'habituellement ils sortent à 18 heures. C'est une stratégie d'adaptation. Et puisque forcément, même si on ne sort pas, nous on n'a pas un confinement total, il y a quand même un certain, une certaine consommation. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu forcément avoir le soir, on va le chercher entre tôt le matin jusqu'au couvre-feu. Donc, en fait, toutes ces choses-là, mises ensemble, vont faire en sorte qu'il y aura dans les secteurs où l'activité est encore possible, il y aura des stratégies de survie et avec un peu de soutien, un peu de solidarité un peu partout, on pourra mieux tenir. Surtout si ça ne dure pas très longtemps. Parce que c'est vrai que si ça va six mois, un an, on ne sait pas. Mais là où il faut s'inquiéter, par exemple au niveau de l'ANGE, nous quand on a commencé à chercher les remontées d'informations, on a eu des cas très concrets qui nous font très peur. C'est par exemple nos membres qui sont dans le domaine du voyage, les agences de voyage. Ces gens-là, le tourisme, le tourisme ces gens-là, c'est ralenti euh, c'est à l'arrêt Et comme c'est à l'arrêt, le problème qu'il y a, c'est que ce sont des PME. Elles sont fragiles sur le plan même de leur trésorerie. Même quand la PME a un peu de ressources dans son compte bancaire, si elle ne travaille pas pendant un mois, deux mois et qu'il y a toujours des charges à supporter, elle supporte ses charges, après elle se retrouve, elle n'a rien. Et à supposer même que elle a ses ressources, mais elle a un endettement aussi. Parce qu'en général, on ne peut pas avoir une entreprise sans endettement. Et cet endettement, aujourd'hui, les négociations pour faire des allègements n'ont pas encore tout à fait abouti. Si la personne devrait payer ses, traites, ses échéances tous les mois, il y aura tarissement des ressources. Et en tout cas, dans ce secteur, nous craignons que des PME ne survivent pas à cette crise-là. C'est la même chose, par exemple, pour ceux qui sont dans l'événementiel. Dans l'événementiel aussi, nous avons des craintes parce que rien ne s'organise comme événement. On nous dit de ne pas faire des rassemblements de plus de 50 personnes. L'événementiel, les concerts, mmh. c'est les organisations de tel ou tel événement. Ces gens-là auront du mal à survivre. Vous voyez, donc là où il y a eu un arrêt complet, il faut qu'il y ait des mesures très fortes de maintenant pour pouvoir aider à la survie. Seydou Souley Mamadou, certainement dans ce cadre, beaucoup d'analystes estiment qu'il faut aider, refinancer les entreprises nigériennes. Les entreprises informelles peuvent-elles bénéficier d'un quelconque refinancement Mais c'est ce qu'on disait depuis des années. Vous savez, euh, notre pays, bon, tout le monde, les structure socio économique fait que tout le monde ne peut pas devenir formel d'un coup. Mais depuis des années, on disait quand même aux entrepreneurs, il faut se formaliser, pour pouvoir sécuriser les entreprises. Pour pouvoir, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages, même en termes de, par exemple, quand on dit au gouvernement de mettre en place une ligne de, euh, ou bien des fonds de garantie. Mais si vous n'êtes pas formel, vous ne pouvez pas l'avoir. Ouais. Et je vous prends juste un exemple. Les mesures que nous, on a proposées dans le cadre du comité de suivi euh, mis en place par la Chambre de commerce. Alors, nous avons proposé un certain nombre de mesures et ces mesures-là, malheureusement, quelqu'un qui est informel ne peut pas en bénéficier. Par exemple, première mesure, nous avons dit qu'il serait important de mettre en place ou d'opérationnaliser un fonds de soutien sous forme de prêt d'honneur ou de lignes de crédit à usage souple pour les PME. Si on fait un prêt d'honneur, naturellement, ça peut bénéficier à d'autres parce que vous déclarez sur l'honneur que vous allez euh, rembourser, on vous prête de l'argent. Mais si c'est une ligne de crédit, il faut, des, quand même répondre à, un certain formalisme. Alors qu'au Niger, euh, ceux qui exercent dans le secteur informel sont plus nombreux que ceux qui exercent dans le secteur formel. Oui, mais raison de plus pour pouvoir être formel. Mais en fait, aussi, n'oubliez pas que ceux qui sont dans le secteur informel, qui sont des micros, ont aussi des structures d'appui qui sont euh, adapté, c'est la microfinance. Ce sont les mutuelles. Là, les règles sont un peu plus souples. Donc, dans tous les cas, parmi les mesures que nous avons proposées, nous avons mhm. proposé, par exemple, une négociation avec les banques pour réduire les taux d'intérêt pour les PME. Parce que qu'est-ce qui va se passer Actuellement, la trésorerie des PME et même des grandes entreprises est soufflée. Souvent même, elle a tarie. Mais quand il y aura la reprise, tout le monde va solliciter des moyens financiers pour euh, la relance des activités. Et si le taux d'intérêt sont au même niveau, ça veut dire que c'est pénalisant, notamment pour les PME. Alors, une autre mesure que nous avons proposée, c'est de dire au niveau des impôts. L'impôt, jusqu'à aujourd'hui, nous considérons qu'elle n'est pas tout à fait adaptée à la situation de la PME nigérienne. Et pour ça, nous avons demandé, par exemple, nous savons que 2020 est une période difficile, n'est-ce pas Alors, quand il y aura le bilan de l'année 2020, que l'État fasse l'effort de dire pour toutes les PME qui ont entre 0 à 5 ans d'existence, je vais réduire l'impôt sur le bénéfice. Je l'amène par exemple à 20% au lieu de 30%. Ça, ça fait partie des propositions que nous avons faites. Une autre proposition, c'était de dire, aujourd'hui, l'État du Niger ne rembourse pas systématiquement la TVA. La TVA, qui est aujourd'hui, souvent, quand une entreprise a un crédit de TVA, et ça, tous les entrepreneurs le savent, ils ne remboursent pas, l'État ne rembourse pas ce crédits. C'est comme si la PME fait des avances de fonds à l'État. Or, une PME qui est déjà fragile, comment est-ce qu'on peut permettre qu'elle fasse des avances de trésorerie à l'État Dans ce cas, nous avons proposé que l'État assouplisse les mécanismes pour que quand la PME a un crédit de TVA, pour l'aider à mieux euh, avoir assurer sa trésorerie, que l'État rembourse ce crédit de TVA ou alors que l'État crée des mécanismes de souplesse ou même de compensation entre la TVA et notre impôt. C'est possible. Dans certains pays, ça se fait sans problème. Nous avons aussi pensé que cela pourrait beaucoup aider les PME lorsque l'État facilite les conditions d'accès au marché public. Jusqu'aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pas un quota pour les PME. Alors que vous savez ce qui s'est passé ces cinq dernières années L'État du Niger, avec les partenaires, ont créé des mesures pour assouplir euh, la, création d'entreprises. De telle sorte qu'aujourd'hui, tous les Nigériens peuvent créer des entreprises. Mais de l'autre côté, une entreprise, pour qu'elle survive, il faut, un marché. Et le Code des marchés publics, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de mesures préférentielles adaptées, par exemple, à la PME. Ici, en Côte d'Ivoire ou au Ghana, vous partez, il y a dans chaque marché public un quota réservé aux entreprises nationales et dans chaque euh, marché public réservé aux entreprises nationales, il y a un quota pour les PME parce qu'on encourage la sous-traitance. Et ça aussi, nous pensons que si cela est fait, ça va permettre aux PME de pouvoir être occupées, de pouvoir avoir des activités à faire et de pouvoir peut-être limiter la casse et la disparition des PME. Alors, parmi les, les mesures, l'autre mesure que nous avons proposée, qui est aussi une mesure euh, d'ordre fiscal. Nous avons dit, par exemple, lorsque une entreprise doit déposer des déclarations, vous savez, des déclarations fiscales aujourd'hui, avec une journée de retard, vous, avez, vous subissez des pénalités. C'est la manière dont fonctionne notre. Alors souvent même, ce n'est pas là où une déclaration où vous devrez payer de l'argent. C'est juste pour déclarer que, OK, cet impôt est arrivé, voilà ma fiche, j'ai peut-être même rien à payer. Mais si vous déposez cette fiche avec du retard, vous allez payer une pénalité. On dit, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que déjà, on veut aussi, quand vous avez parlé de, l'informel, mais pour qu'est-ce qui crée l'informel C'est parce que dans beaucoup de cas, les gens ont peur du, système formel et surtout du système fiscal. Donc si on crée un peu plus d'empathie, un peu plus de, diligence dans le système fiscal, ça va encourager les PME. Dernière mesure liée au marché public, qui est aussi un problème pour les, beaucoup de PME, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un marché, qu'il soit public ou privé, Dès qu'il atteint un certain montant, et je pense même que ce n'est même plus un certain montant, dès qu'il y a un marché, il faut l'enregistrer. Et quand vous enregistrez ce marché-là, même si vous n'avez rien encaissé, vous, vous donnez 6% du montant du marché à l'État. 6%. Vous avez, par exemple, 1 million, un marché, vous n'avez rien reçu. Si vous l'enregistrez, vous avez payé 5% à la DGI, 1% à la RMP. Et vous, vous n'avez encore rien encaissé. Mais tout ça aussi, normalement, c'est des allègements qu'on peut faire pour faciliter la vie aux PME. Et voilà les mesures que nous nous avons proposées. Et nous pensons que si ces mesures-là, les, autorités publiques prennent un temps pour les regarder, ils peuvent voir, sans vraiment euh, euh, euh, créer une tension dans les ressources publiques, voir comment créer une situation un peu plus favorable à la PME. Pourquoi Parce que quand la PME ne meurt pas, c'est des emplois qui vont vivre. Si la PME meurt et qu'elle a 10 personnes, ces 10 personnes vont se retrouver au chômage. L'impôt, le paiement d'impôt là qu'elle paye, elle ne le payera plus. Et on ne parlera plus de contribution au développement économique et social. C'est pour cela que c'est un danger, c'est très mauvais d'avoir des entreprises qui meurent dans un pays. Soli Abdoulaye, vous venez là d'écouter Seydou Souley Mahamadou à travers euh, les propositions qu'ils ont eu à faire. Est-ce que l'État du Niger, à l'état actuel des choses, a les moyens euh, pour prendre en charge euh, toutes ces mesures-là Merci, M. Mokhtar. Je suis vraiment très ravi d'entendre euh, l'association des jeunes, des jeunes entrepreneurs euh, prendre ces genres d'initiative. Et l'État, d'abord, ce n'est pas de l'argent que l'État du Niger va donner. Hein. Ce n'est pas de l'argent. C'est des assouplissements par c'est des faveurs, c'est des, faveurs, qui apportent de l'argent. Des facilités, comme il en a déjà fait, parce que euh, euh, euh, au tout début de cette affaire, le, gouvernement du Niger, à travers le premier responsable, le président de la République, il, il est sorti pour annoncer un certain nombre de mesures, n'est-ce pas Ce sont ces mesures-là qu'il faut, et il faut écouter. Malheureusement, nous avons un problème ici au Niger, c'est le problème de formatage. Nos responsables sont formatés, ceux qui sont autour d'eux là, les directeurs centraux, c'est eux qui empêchent de tourner en rond. Vous comprenez Il y a des mesures qui sont là, des propositions intelligentes, n'est-ce pas, qui peuvent sortir le pays de l'ornière, parce que si je parle du pays ici, si les entreprises sont, sont, à terre, c'est le pays qui est à terre. Si les entreprises sont sorties indemnes, c'est le pays qui est sorti indemne. Mais malheureusement, il y a certains chefs de service ou les directeurs centraux qui refusent de faire comprendre aux ministres ou aux, autres supérieurs la nécessité ou l'importance de, certaines mesures. Sinon, c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tout ce qu'ils ont eu à faire là, c'est des réflexions qu'ils ont eu à faire parce que c'est des hommes de terrain. C'est des hommes qui savent ce qu'ils font, n'est-ce pas Et ils ne le font pas parce qu'ils veulent tirer la couverture de leur côté, ils veulent engranger des bénéfices. Non, c'est parce que, comme il l'a dit, ils veulent sauver. Parce que toute entreprise qui, qui meurt, c'est un problème pour l'État du Niger. Parce que, du point de vue stratégique même, tu, récupères beaucoup d'impôts sur cette entreprise-là. Il y a différents impôts qu'un État peut récupérer sur une entreprise. Donc, il n'a pas intérêt à ce qu'elle meure. Soli Abdoulaye, pour faire face à cette situation, le 23 mars dernier, le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, euh, a proposé au groupe de G20 d'aider les pays pauvres à faire face à cette pandémie. Quelle analyse cette proposition suscite en vous Bon, moi, l'analyse, vous savez, et, la Banque mondiale, le FMI, ce n'est pas des, des, institutions financières que j'estime en train d'aider nos pays. Parce que les différentes analyses, les réflexions sur des années ont montré que ces groupes ne sont pas en train d'aider. Parce que s'ils nous aidaient, où est-ce qu'on allait être aujourd'hui Je vous rappelle, en 1994, j'étais encore étudiant à l'université, deuxième année d'économie, nous avons fait une rencontre avec euh, le représentant de la Banque mondiale au Niger, résident au Niger, qui était un Ghanéen, mais il avait dit que la Banque mondiale, nos pays d'abord, nos pays, à cette date-là, de 1994, étaient plus pauvres que ce qu'ils étaient en 1960. Et il a complété avec tout l'arsenal d'aide et multiforme que les banques et des que les banques sont en train de nous faire. Donc ça veut dire que ces, ces, ces gens-là ne sont pas en train de nous aider, ils sont en train de nous enfoncer. Voyez-vous, tout récemment, ce que le FMI a fait. Le FMI a dit qu'ils vont faire un allègement de la dette. De la dette. Et quel mécanisme ils ont trouvé Il y a au niveau du FMI un fonds qu'on appelle le fonds fiduciaire pour l'assistance aux catastrophes. Ce fonds est censé aider les pays membres du FMI à avoir de l'argent liquide pour faire face à un certain nombre de choses. Si c'est une pandémie comme celle-là, si c'est une catastrophe naturelle, si c'est autre chose, en tout cas un, problème qui, qui peut atteindre l'économie. Alors ce fonds existe. Ce fonds, il y a l'argent là-dedans, il est renfloué parce que j'ai vu au moment où j'ai vu cette information, le fonds disposait d'à peu près 500 millions de dollars. Au lieu que qu'on prenne cet argent pour distribuer, donner en fonction donc de l'état de, de la situation de chaque pays, qu'on donne une aide non remboursable au pays pour qu'il fasse euh, euh, euh, faire face à ces, difficultés. Non, non, le FMI a trouvé une astuce pour prendre l'argent liquide dans ce fonds, le transformer en paiement de nos dettes. Donc, si tu supposes que le Niger va payer, par exemple, pour le mois d'avril, là, il va payer 1 milliard. Donc, le FMI fonctionne 1 milliard de l'argent liquide et il verse dans le compte du Niger, comme si le Niger a payé donc la dette d'avril, 1 milliard. Maintenant, ce que nous, Nigériens, nous, nous devrons payer au FMI en fin d'avril, 1 milliard, on n'a qu'à le consommer pour... Mais ça, là, la, la, la pandémie a déjà ruiné notre économie. L'État du Niger, je vous ai dit tout à l'heure que l'État a, accepté de faire allègement des dettes, c'est-à-dire les entreprises qui doivent payer leurs euh, impôts en fin d'avril, on a récalé pour mener ça jusqu'en juillet n'est-ce pas Les TVA ont été exonérés, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que l'État lui-même, il n'a pas d'argent à, à récupérer pour ces, mois d'avril, de, mai, juin, tout ce qui va venir jusqu'à la fin de cette pandémie, l'État n'aura pas, pas d'argent. Donc, même si, même si le FMI n'a pas fait cette astuce, l'État du Niger ne sera pas à mesure de payer l'échéance d'avril. Donc, ce qui aurait dû être fait, c'est de nous donner de l'argent liquide parce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui a été fait. Soli Abdoulaye, comment repenser le modèle économique du Niger Le modèle économique du Niger doit être repensé. Nous avons toujours dit sur des tribunes. Il faut que nous créions des entreprises chez nous, des petites et moyennes entreprises de transformation, pour que nous prenions en charge notre économie, pour que nous consommions nos produits. Voyez-vous, si on va attendre, par exemple, aujourd'hui, il y a, je suis certain qu'il y a beaucoup de produits qu'on importait de la Chine qui ne peut pas être euh, euh, sur place aujourd'hui, parce que tout simplement, il n'y a pas cette mobilité entre le Niger et la Chine. Si c'était nous qui avons nos, nous avons nos produits qui sont sur place, nous les transformons sur place, donc on n'aura pas de problème de rareté des produits. Donc la première des choses, c'est de faire en sorte que notre tissu industriel là, on a toujours appelé le gouvernement Niger à avoir une stratégie vraiment pour que un embryon d'industrie soit euh, implanté au Niger et qu'il y ait un accompagnement nécessaire. Il ne faut pas que l'État du Niger se couvre la face. Ça veut dire voit toujours ses intérêts. Ce que, ce que euh, M. Sur dit tout à l'heure, c'est comme ça. Il faut accompagner. On peut accompagner une entreprise sur 5 ans. L'essentiel, c'est qu'elle soit pérenne parce que l'État sait qu'il va récupérer sur 99 ans. Vous comprenez donc c'est ça la stratégie. Il ne faut pas tout, juste voir dès qu'une entreprise euh, euh, naît, il faut vraiment l'accabler, prendre de l'argent. Non, on peut la souplir quand il faut la souplir, il faut la souplir parce qu'on sait qu'après on va récupérer. Saïd Souley Mahamadou, comment faire pour que les entreprises nigériennes continuent d'exister après Covid-19 Bon, continue d'exister, moi je garde l'espoir. Je pense que nous tous, on continuera d'exister. Hein. <laughs> je, je, pense qu'il faut, il faut garder cet espoir-là jusqu'au bout. Euh, on aura des entreprises qui vont résister. on aura, euh, et même aujourd'hui, nous, sommes en plein dans, euh, c'est ce que moi je dis à tous les, tous les entrepreneurs que je rencontre, nous sommes en plein dans des moments de remise en cause et de repositionnement. Euh, donc ça, je pense que la plupart d'entre nous vont le réussir. Ceux qui auront du mal à le réussir, il faut qu'on les soutienne au niveau de nos associations, au niveau de nos structures fêtières et au niveau de l'État. C'est le moment, comme je disais, où il faut se tenir la main, hein, dans la main et avancer ensemble. Donc, maintenant, personne ne sait quelle est l'échéance de sortie de crise de toutes les façons. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit, cette échéance soit la plus proche possible. D'ici là, la vérité, c'est que nous avons des entreprises où nous devons identifier les secteurs où les entreprises prennent le plus grand, le plus grand coût. Il ne faut pas qu'on soit euh, non objectif. Vous savez, il y a des secteurs que la crise avantage. Mmh. Aujourd'hui, oui, oui, oui, dans toute crise, quelle qu'en soit la crise, même Covid, même Covid, il y a des secteurs, mais les gens qui font les, masques, mmh. il y a quelques temps, ils faisaient quoi Les gens qui font des gels, il y a quelques temps, ils faisaient quoi Le numérique aujourd'hui, vous savez que quand vous prenez par exemple Amazon, quand vous prenez par exemple eBay, hein, eBay et le numérique se porte très bien partout au monde, mais même au Niger. Aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous pouvez commander votre bouffe hein, à partir d'un site web. Donc, il y a des secteurs qui vont s'en sortir. En fait, il faut avoir une réflexion objective. Il y a des secteurs qui ont besoin nécessairement de soutien. Moi, le secteur dans lequel je suis, le secteur de la communication, de la production audiovisuelle. Le secteur des médias. Nous avons certaines appréhensions, certaines craintes sur certaines de nos activités. Mais sur d'autres segments d'activité, on n'a pas de problème. Hmm? Aujourd'hui, sur la question des productions, que ce soit des sports, que ce soit des, des, des, reportages à la carte, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de difficultés, n'est-ce pas Mais notre situation est différente de celui dont l'activité est complètement à l'arrêt. Hmm. Donc, ce que moi je suis en train de proposer, c'est que analysons objectivement les besoins de secours là où c'est nécessaire, il faut le faire. Je prends juste un cas concret. Hein. Et quand nous étions en train de discuter sur les PME impactées au niveau de la NGE, une jeune dame m'a envoyé sa fiche, parce qu'on avait envoyé des fiches et que chacun renseigne, c'est des chefs d'entreprise. Elle me dit, vous savez, moi, mon entreprise risque de mourir. Vous savez pourquoi Je suis dans la transformation. Et ça fait cinq ans que j'essaie de démarrer, je n'arrive pas à mettre en route. J'ai un crédit. Récemment, ce crédit, je l'ai utilisé pour commander une machine. Elle n'avait pas eu beaucoup de chance. Elle a commandé sa machine en Chine. Au moment où la machine devrait embarquer, la Chine a fermé ses frontières. L'argent est déjà parti. Et jusqu'aujourd'hui, elle est là, elle attend. Elle n'a pas de machine, elle n'a pas son, argent. argent et il y a un crédit qui court. Cette dame-là, si vous me dites qu'elle n'a pas besoin d'aide, moi aujourd'hui, si on dit qu'il faut aider, je préférerais qu'on ne m'aide pas moi, mais qu'on l'aide. C'est ça la vérité. Et donc, si nous voulons nous en sortir, si nous voulons avoir encore des entreprises qui existent, il faut qu'au niveau du secteur formel comme du secteur informel, que nous ayons des analyses froides. Ceux qui ont le plus besoin de soutien doivent avoir ce soutien-là. Même les réaménagements dont on a parlé. Nous, aujourd'hui, si l'État veut réaménager, veut faire des assouplissements et qu'il n'a pas la possibilité d'assouplir pour tout le monde, mais je sais qu'à travers la Chambre de euh, beaucoup de Nigériens estiment qu'il y a une certaine lenteur euh, pour l'aide. Bon, euh, regardez, sur ça, moi, j'ai un point de vue nuancé. J'ai un, point de vue nuancé. L'État, vous savez, c'est une crise qui est venue, qui a déstabilisé tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui était prévisible. Ça, c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. On est en train d'agir face à un cas de force majeure. Moi, je pense que jusqu'à présent, ce que l'État du Niger a fait est honorable. Franchement. Maintenant, il ne faut pas que nous tous, en soient des attentistes. Qu'à la moindre occasion, on pense que la solution miracle doit venir que de celui qui gouverne. Nous tous, on gouverne, chacun a sa part dans la chose. Mais celui qui gouverne a la responsabilité de protéger tout le monde et de veiller à ce que les plus vulnérables, ou là où c'est nécessaire, prenons même l'exemple, s'il vous plaît. Aujourd'hui, euh, on a parlé d'entreprise. On a créé les conditions pour qu'il y ait une facilité de création d'entreprise. Nous sommes en train de dire qu'il faut continuer à améliorer l'environnement. Mais cela ne veut pas dire pour le chef d'entreprise de croiser les bras jusqu'à ce que l'environnement soit optimal. Il n'y a aucun environnement optimal dans ce monde. Vous partez aux États-Unis, les mêmes problématiques où on a besoin toujours de continuer à améliorer, ça existe. Donc il faut que chacun mette son grain de sel dans la chose. Aujourd'hui, euh, ceux qui ont euh, les mesures sociales, que ce soit sur l'eau, sur l'électricité, peut-être, s'il il y a encore des gens, malgré ces mesures, ce n'est pas suffisant, les analyses doivent montrer et dire, bon, Élargissons encore l'assiette. Élargissons encore. Peut-être demain, il faut encore d'autres mesures dans le domaine de la santé. Peut-être il faut d'autres mesures. Ben, même dans le domaine de l'alimentation, il y a eu quand même des mesures. Donc moi, je pense quand même que, soyons objectifs, un cas de force majeure qui n'a pas prévenu par rapport à ce cas-là, ce qu'on est en train de faire, comparé à d'autres pays, je pense que c'est déjà honorable. Mais nous devrons tous nous battre pour que ça s'améliore. Soli Abdoulaye, la maladie du Covid-19 constitue un choc économique intense, vous l'avez rappelé, et qui aura une réaction politique ambitieuse, coordonnée et urgente afin de soutenir les familles et les entreprises en difficulté. Est-ce réellement possible au Niger Mais c'est bien possible. Parce que si, bien sûr, c'est ce qui est en train d'être fait. <laughs> Seulement, c'est que eh, eh, euh, les gens, d'abord, quand l'État dit qu'il allège le paiement des impôts d'une période à une autre, ce n'est pas visible. Vous ne voyez pas ça Dans l'immédiat, dans l'immédiat, c'est pas visible. C'est dans l'immédiat. Parce qu'on on attend que le moment vienne pour que tu sentes que toi, entreprise, qu'on t'a allégé. Parce que tu n'es pas parti payer. Sinon, tu sais que tu allais partir payer. OK quand on dit qu'on a exonéré tel ou tel produit, c'est vrai, c'est vrai. Quand on dit qu'on a euh, euh, euh, pris en charge l'eau et l'électricité pour ceux qui sont dans, une, comment on appelle ça, la portion sociale, là, transsociale, ça, va être senti au moment où l'allègement est arrivé, c'est-à-dire au mois d'avril et, le mois de mai. Il y a une question importante, je pense, pour moi, mhm. c'est même pas ces allègements, c'est quelles sont les leçons qu'il faut que nous tirions de cette crise. Parce que regardez quand même, avant Covid, on avait la fermeture des frontières avec le Nigeria. Ça nous a secoué sur le plan économique et même social. Et le Nigeria avait de très bonnes raisons de faire ce qu'il a fait. C'est un pays souverain. Avant ça, certaines parties de notre pays, la lutte contre le terrorisme a déjà aussi mis à rude épreuve l'économie. Telle que la région de la la région de Tilaberi. Et là, nous avons une nouvelle crise, Covid. Alors, moi, je pense que les décideurs que ce soit politique, économique et même les citoyens du Niger. Ça, nous devrons chacun, ou à son niveau, commencer à tirer des leçons. Et une des leçons, Soli l'a dit tout à l'heure, la première des choses dont on va se rendre compte, c'est que notre dépendance économique, si nous ne la réduisons pas, un jour, c'est elle qui va nous faire périr. Aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, un pays comme le Niger, qui a un taux de... Pourquoi vous pensez qu'on n'a pas pris la mesure de, d'arrêter l'entrée des marchandises Pourquoi on ne l'a pas fait <laughs> Un jour, peut-être, c'est ça le risque. Oui. C'est ça. Le camion qui va quitter un pays. Mais on ne peut pas ne pas le, laisser parce que si on le laisse, on sera asphyxié. Et pourquoi c'est comme ça Parce que pendant tout ce temps, nous nous amusons à laisser notre pays être indépendant sur le plan économique. à, être, des simples consommateurs, à être des, simples, consommateurs. Oh. Aussi longtemps que nous, avons, nous allons avoir des décideurs qui sont peu souciés par rapport à cette question-là, ils ne vont pas pouvoir régler les problèmes de ce pays. Ah pour moi, c'est ça la vraie leçon il faut continuer. Absolument. Faire en sorte que l'industrie existe au Niger. Faire en sorte que le peu que nous avons, les efforts que nous sommes en train de faire là, que ça s'inscrive dans la durée, qu'elle soit plus soutenue, qu'il y ait des Nigériens capables de développer des unités industrielles même dans des villages. Exact. Alors, Seydou Souley Mahamadou, euh, puisque au Niger, euh, beaucoup exercent dans le secteur informel, est-ce que ce n'est pas un manque de sensibilisation à ce niveau L'informel, en fait, vous savez, l'informel même, c'est parce que notre système n'a pas réussi à rendre l'économie intéressante pour tous les citoyens qu'on est informel. Sinon, qu'est-ce qui va se passer Quand quelqu'un est informel, c'est à la naissance. Mais quand on atteint une certaine taille, on est obligé d'être formel. Aujourd'hui, quand vous êtes... Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça commence, l'artisan. Le statut d'artisan existe partout au monde. Mais quand on atteint un certain taille, on arrête d'être artisan. On devient industriel. Et donc, qui, pourquoi il y a beaucoup d'informels C'est parce qu'on a beaucoup de gens qui naissent artisans, qui meurent artisans. En face de nous, ici, euh, quand on sort du studio Kalango, on a un menuisier métallique. Ce menuisier métallique, il est artisan aujourd'hui. Il est semi-formel. Peut-être il a un NIF, il a un SSM, mais il a la patente. Il Lui-même ne maîtrise pas toute sa comptabilité. Mais demain, s'il arrive à un niveau de taille où il emploie des centaines de personnes, ou il a des unités hein, euh, un peu plus complexes. Vous pensez qu'il peut survivre en état informel Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Euh, on a créé des centres de gestion agréés, le CGA, la maison de l'entreprise. Il y a des efforts d'accompagnement, il y a des sensibilisations. Maintenant, il faut que, au niveau des acteurs eux-mêmes, qu'ils comprennent les dangers de rester longtemps dans l'informel et on change. Et ça, c'est des gens comme vous et moi qui peuvent le faire, c'est-à-dire les médias, notre rôle, la sensibilisation qu'on doit faire. Mais de l'autre côté, l'État, en faisant la promotion de l'entrepreneuriat, en continuant à donner de l'importance à l'entreprise, en faisant en sorte que dans l'administration publique, le fonctionnaire sache qu'il est au service de l'économie et que toute chose qui concerne l'économie doit être traitée avec méthode et diligence, ça, je pense que si on le fait sur plusieurs décennies, on va pouvoir arriver à créer une société d'entrepreneurs et surtout à réduire notre dépendance économique. Euh, Soli Abdoulaye, rapidement, en une minute, euh, quels sont vos conseils, recommandations, propositions de solutions pour éviter le pire Rapidement. La première des choses, euh, d'abord, c'est de prendre en compte, n'est-ce pas, cette situation pour nous amener, comme a dit tout de suite M. Soulet, à réfléchir. Il ne faut pas blaguer. Il faut prendre et le président de la République a dit aussi qu'il faut un après COVID. Donc je suppose que cet après Covid-là va nous permettre de nous asseoir pour voir les insuffisances que nous avons du point de vue économique, du point de vue social, sur tous les aspects. Hein. Parce que tout à l'heure, quand vous avez posé une question, vous avez demandé eh, eh, eh, les conséquences socio-économiques. Donc socialement aussi, il faut chercher à savoir, surtout avec euh, donc, euh, euh, la politique de la Renaissance, il faut voir quelles sont les défaillances sociales que nous avons, quelles sont les défaillances économiques que nous avons et comment donc récupérer les choses. Il y a une piste que j'ai évoquée et qui a été confirmée par M. Seydou. Ensuite, Rapidement. tout à l'heure, vous avez parlé de, de, de, l'informel. Vous savez, l'informel, là, comme a dit Seydou, c'est-à-dire ce n'est pas à tous les niveaux qu'on peut se formaliser. L'informel est important. L'informel aussi, je me rappelle d'une euh, euh, euh, conférence que j'ai vue avec un professeur marocain, un professeur en économie, où il dit qu'au Maroc, quand vous partez, l'économie informelle, elle est, bien structurée et elle, renfloue les, caisses de l'État. Mais seulement ici, il faut savoir comment encadrer l'informel. Quand quelqu'un vend des frites, des, poulets, sur, la route. Vous ne pouvez pas lui dire de venir faire le registre du commerce, de faire le nid, c'est pas possible. Mais il faut savoir comment faire, parce qu'il est en train d'opérer sur la voie publique, comment faire pour récupérer quelque chose avec lui. Vous comprenez la pandémie du Covid-19 a incontestablement des répercussions dans tous les secteurs d'activité au Niger. Malgré les mesures conjecturelles prises pour contenir la maladie, les effets négatifs de son impact se ressentent au Niger. C'est pourquoi il faudra rapidement tirer toutes les leçons de son impact pour adopter une vision propice au développement du pays. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Seydou Souley Mahamadou, président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs, et Soli Abdoulaye, économiste. Euh, merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci aussi à la technique euh, côté son assurée par Saini Saka et côté vidéo Adama Dawaki. Merci, au revoir.